Quel que soit le type d'habitat, à l'arrivée de la saison des pluies, il est important de faire un diagnostic. On a l'habitude de constater souvent des fuites au niveau des, des, charpentes, quand il s'agit de bâtiments traditionnels, vous pouvez avoir des infiltrations liées au fait que l'étanchéité n'est plus assurée au fur et à mesure des années. Vous avez aussi dans les bâtiments plus modernes des infiltrations lorsque les tôles, les charpentes métalliques sont détériorées. Vous avez aussi des dalles qui sont mal étanchées. Alors la première des choses à faire pour un propriétaire, c'est de faire cet euh, état des lieux avant même que la saison des pluies n'arrive, de constater s'il n'y a pas de détérioration, si mm. les couvertures sont propres, parce que lorsqu'elles sont mal entretenues, lorsqu'elles sont sales, cela favorise l'infiltration d'eau dans l'habitation. Que dit la loi en ce qui concerne les locataires Lorsqu'on a un contrat de location, on a euh, des clauses il indique quelles sont les réparations que doit effectuer le propriétaire et quelles sont les réparations que doit effectuer le locataire. Il est clairement stipulé que tout ce qui concerne le bâtiment, sa structure ou son étanchéité concerne le propriétaire. Le locataire a le droit d'indiquer lorsqu'il constate des infiltrations ou des détériorations, d'indiquer au propriétaire ces désagréments qu'il constate et de lui demander de faire les réparations. Le locataire ne doit pas faire les réparations à la place du propriétaire, il doit l'informer de la situation de son bâtiment et le laisser lui-même réaliser les, travaux.